forum forum forum Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Je suis Nafis Adam Sirfo, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Forum de la presse, votre émission hebdomadaire de laquelle nous décryptons l'actualité de la semaine qui s'achève avec nos confrères des médias de Niamey. Nécrologie dans le forum de la presse de cette semaine, il s'agit du décès de l'ancien président Tanja Mamadou mardi dernier à Niamey à suivre les commentaires de, nos confrères sur les points forts de la gouvernance de celui qui fut affectueusement appelé Babetanja par une partie des Nigériens. Sur le plan politique, un forum des partis prenantes euh, au processus euh, électoral en cours au Niger a été organisé la semaine dernière à Niamey à l'initiative de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CDAO. Le thème était élections apaisées et inclusive, jeu pour la consolidation de la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité au Niger. Chapitre politique toujours, nous parlerons des alliances politiques qui se créent entre certains partis politiques avant l'ouverture même de la campagne électorale. Enfin, nous parlerons, nous irons au Burkina Faso pour parler des élections législatives et présidentielles. avec les résultats officiels, le président au pouvoir, Marc Christian Caboret, qui passe au premier tour avec environ 58 de Pour échanger donc euh, sur ces sujets, nous avons le plaisir euh, de recevoir dans ce studio Monsieur Ousseini Issa. Il est journaliste euh, indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Memoune Diado, journaliste indépendante, bonsoir à vous. Bonsoir Nafisa. El Haj Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, est avec nous au téléphone. Bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien président du Niger, Mamadou Tanja, n'est plus. Il a tiré sa révérence le mardi 24 novembre à Niamey à l'âge de 82 ans. Feu Tanja Mamadou avait dirigé le pays de 1999 à 2010. Beaucoup de Nigériens gardent de bons souvenirs de celui qui fut affectueusement appelé Baba Tanja. Mokhtar Hamadou a rencontré quelques-uns. Je vous propose de les écouter. Tanja est parti, c'est une grosse perte pour la nation. Un nationaliste hors pair, c'est un grand homme. Il est parmi les grands nationalistes, les grands patriotes de ce pays. Il a laissé un héritage. Tanja nous avait tracé l'autoroute, on ne peut pas l'oublier. Un grand homme d'État. On se souvient de ton implication dans le développement social, dans le retour à la base, dans l'aide aux femmes. Un homme d'État qu'on ne peut jamais oublier. J'ai milité au MNSD, donc euh, c'est quelqu'un que je connais quand même très bien en tout cas indépendamment de Saïd Koundje. C'est le seul président qu'on a eu qui a pu faire quelque chose pour ce Niger. Mais les mots me manquent pour vous dire quand même combien ce monsieur a beaucoup fait pour ce pays-là. Avant qu'il ne soit chef de l'État, Tanja a longtemps servi la nation en tant que préfet, en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que même soldat. Tout cela a été couronné par ses deux mandats. Aujourd'hui, c'est le pays entier qui est en deuil. Le Niger a perdu un illustre, un grand homme, un patriote sincère. Euh, je commence par vous, Madame Maimouna Diado. Que de bons souvenirs que gardent les Nigériens de Feu Tanja Mamadou qui nous a quittés euh, le mardi. Vous, de votre côté, quels souvenirs vous gardez de Mamadou Tanja, Feu Mamadou Tanja euh, Merci Nafisa pour m'avoir posé donc cette question sur l'homme qui était Tanja Mamadou. Mm. Quel est le souvenir ou bien les souvenirs parce que en fait ça, il a fait beaucoup de choses pour ce, pays, pour le Niger. Beaucoup de choses par exemple. Beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, quand je prends du côté donc du monde rural, parce que c'est quelqu'un qui se soucie en fait de la population, surtout du monde rural. Il a investi beaucoup dans le monde rural parce qu'il croyait en ce monde rural. Il croyait à l'autosuffisance alimentaire. Il a investi dans la jeunesse parce qu'il croyait également en la jeunesse nigérienne. Quand je regarde également du côté de la femme, la femme nigérienne a eu beaucoup plus au régime de Tanja. Quelques exemples. Les exemples, euh, quand je prends par exemple, quand, on regarde du côté donc euh, de la femme, il y a ce qu'on appelle la prise en charge de la césarienne. À l'époque, c'était bien sûr le président Tanja qui avait amené ça. Quand on regarde également par rapport euh, au cancer, le centre cancérologique qui, de oui, de Niamey, c'était également une idée du feu, Tanja. Quand on regarde aujourd'hui les femmes qui sont au niveau donc du monde rural, comme je le disais à l'instant, le cash for work, c'était une idée également euh, du, président Tanja. Autant de, réalisations pour les femmes, autant de réalisations également pour les enfants, avec la gratuité des soins de, 0 à 5 ans. Et quand on regarde également, quand je, je, dis tout ceci, c'est parce qu'il a regardé, en fait, pour pouvoir jumeler les trois. Parce qu'il sait que pays ne peut pas se développer sans la jeunesse, sans la femme, sans le monde rural. Et il l'a compris ainsi. Et je garde de très beaux souvenirs du président Tanja, surtout avec euh, cette histoire de l'uranium, où il avait chassé Areva du Niger il a fait imposer ses lois, les lois du Niger à Ariva, où le président Sarkozy était obligé de revenir, de venir ici au Niger, rencontrer le président Tanja, du jamais vu. Et ça a porté ses fruits. Donc ça a porté ses fruits parce que, comme il l'a dit, euh, l'uranium appartient aux Nigériens. C'est aux Nigériens de fixer les règles du jeu. Voilà, ça c'est un grand souvenir que je, retiens de lui. Mhm. Et je retiens encore un autre souvenir de lui c'est que à l'époque, il avait rehaussé, euh, n'est-ce pas, euh, les pécules des contractuels de l'éducation. Ça, c'est également un grand pas pour ce, président. Les actions n'en finissent pas et on dit que tout être humain, euh, en fait, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, malheureusement. C'est avec un rallonge de trois ans qu'il avait demandé pour continuer les actions, le Tazar qui a fait partir. Mais je suis sûr que un bon musulman qu'il était, il avait le remords aussi après avoir euh, quitté le pouvoir. De, de, de, de, de voir pourquoi est-ce que lui mm. aussi, il a cherché à faire un rallonge de trois ans. Et jusqu'à présent, les Nigériens gardent en lui un, un baba modèle. Comme ils l'appellent baba. Affectueusement. Un baba modèle pour ce pays qui cherche coûte que coûte à ce que son pays se réveille en bon état et que la population ou bien le peuple du Niger soit rassasié euh, en alimentation et financièrement. Donc vraiment, ce sont des souvenirs que je retiens de lui et que euh, Dieu, le miséricordieux, euh, l'accueille dans son paradis éternel. Paix donc à son âme. Et mes condoléances à toute sa famille à sa famille politique aussi, il ne faut pas l'oublier, et à tout le peuple nigérien. Alors, euh, Issa, Feu Babatanja, euh, selon vous, comment il a vraiment marqué l'histoire du Niger Qu'est-ce que vous retenez de lui ah, Ce que je vais commencer par dire, je, présente d'abord mes condoléances euh, à sa famille, mais également au peuple nigérien, qui dit son nom. En réalité, ce que je retiens de Tanja, c'est que Amateur de patriotisme et de nationalisme, il est difficile de trouver. Il est à l'image de Kunche, son compagnon d'armes. Et il l'a démontré pendant les dix ans qu'il était resté au pouvoir. Maintenant, par rapport à ce que je peux dire concernant l'homme, la route nationale numéro un, c'est Tanja qui a supervisé sa construction e. en tant que militaire. C'était lui qui avait fait ça. Indépendamment de ça, la rigueur, c'est-à-dire que l'État doit être respecté les droits des autres doivent aussi être respectés, des citoyens. Mhm. Il l'a démontré. En termes de nationalisme, il a prouvé ça à tous les Nigériens. On était dans une situation quand il est arrivé au pouvoir, parce que c'est d'abord quelqu'un de très altruiste. Ah, il, a tenté, comment dire, la présidence. Pendant toutes les années qu'il n'a pas pu parvenir, il devenait député, mais il préférait laisser aller son suppléant. Voilà, oui. N'est-ce pas mhm. Contrairement aux autres quand ils ne sont pas présents, ils vont aller s'asseoir à l'Assemblée. Lui, il a considéré que c'est la présence qui l'intéresse. Tout le temps qu'il a passé dans l'opposition, il était député, mais il considère que non, ce n'est pas à ce niveau-là que lui, il peut réagir. Il, peut agir. Mhm. Maintenant, concernant le nationalisme, le patriotisme dont je parle, nous avons tous vu ce qui s'était passé quand il est arrivé par rapport à l'Iranon. Il a dit, que il a dit non, on ne peut pas continuer, on ne peut pas nous griger tout le temps. Et que moi, personnellement, en tant que président de la République, je ne vais pas aller négocier. C'est eux qui veulent qui doivent ma venir ressource. C'est eux qui vont venir chez moi. On va discuter des termes, des échanges. Il y a non seulement l'uranium, il y a également le pétrole. Quand il a décidé que le pétrole va être exploité, parce qu'il y a eu beaucoup de dilatoires autour de ce pétrole Des dilatoires, expliquez-nous un peu. C'est quoi le dilatoire Il y a mmh. des gens qui ont considéré que le pétrole, c'était de l'eau. Que ce n'était pas possible. Les gens défilaient. Moi, un temps, j'étais à Zender avant qu'ils n'accèdent, pas à Zender, plutôt à Difa. Avant qu'ils n'accèdent, c'était sous le règne de, comme avait dit, de, de comment on appelle le défunt Barry, oui, quand il était président de la République. Mais il y avait beaucoup de compagnies qui venaient, qui exploraient, mais qui s'en allaient. Mmh. Il y avait la ressource qui était là, importante, mais Personne ne voulait, parce que tout simplement, on voulait créer les conditions pour. Quand Donc, est arrivé, il a estimé que qu'à partir du moment où la ressource est là, on va trouver un partenaire. Il a fait appel aux Chinois. Donc, euh, si on comprend, Tanja a vraiment beaucoup fait. Non, il a fait appel aux Chinois. Il a dit voilà, j'ai du pétrole, venez, on va s'entendre par rapport à l'exploitation de ce pétrole-là. Vous allez nous créer en plus, nous créer encore une raffinerie. Hmm. N'est-ce pas il a fait tout ça. Et aujourd'hui, le pétrole qu'il a fait sortir du sous-sol, ça provient à qui Ceux qui ont qualifié ça de, l'eau. Donc, euh, en gros En gros, je vais dire, je vais dire en matière d'intégrité, en matière d'intégrité, en tout cas, c'est une race en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, il est venu au pouvoir, il a géré le pouvoir pendant 10 ans. Mais personne n'a vu pour dire, voilà, voilà, l'ostentatoire là. Non. Il a fait ce qu'il a pu faire il est resté modeste. Et depuis qu'il a quitté le pouvoir, après le coup d'État, quand il a été libéré, après comment la prison, personne ne l'a vu encore dans un débat politique. Oui, oui, oui. Tellement un communicateur. Un était un communicateur, parce que quand il se trouve en face de sa population, il préfère s'exprimer dans sa langue maternelle. Oui, oui, justement. Donc c'est un vrai communicateur. Il n'a pas besoin de la langue de Molière pour s'exprimer à sa population. Tanja Mamadou a donc beaucoup fait pour le Niger, beaucoup d'actions dans le monde rural du côté de la femme. El Haj Suleiman, euh, selon vous, qu'est-ce que vous retenez vraiment de la gestion de Mamadou Tanja, de feu Mamadou Tanja euh, Merci bien, euh, Je commencerai, comme tout le monde, justement, à prier pour Tanja, qu'Allah lui fasse miséricorde euh, en tout cas, c'est une grande perte. On a perdu un patriote, un euh, euh, serviteur de l'État, un homme d'État, j'allais dire. bref, du partout, c'est le témoignage qui est fait par ce grand homme qui vient de disparaître. la nation nigérienne est en deuil, c'est un fait. donc, en réalité, il y a beaucoup de choses à dire sur la gouvernance de, de Tanja. d'abord euh, le militaire, donc le, préfet d'antan, le ministre de l'Intérieur, donc euh, le chef de l'État. Et donc, euh, il y a de la rigueur donc, qui ont appris aux côtés de Conti, certainement. mais vous savez, comme toute œuvre humaine, nous, pouvons être amenés justement à commettre des erreurs en plus de tout ce qui en tout cas considéré comme acquis. Hmm. Par exemple, au niveau de la gouvernance, euh, on se rend compte que son programme spécial, euh, euh il a été très généreux, euh, ce qu'on ne dit pas souvent assez. Généreux comment il, offrait des chèvres, des vaches aux, femmes. Et, en réalité, il y en a vraiment qui l'ont eu. Ce n'est pas un programme ou vraiment un crédit. Mais franchement, dans la réalité, les gens euh, étaient servis comme ça, parce que bon, je crois que la dette qui est remboursée, et vu sa philosophie, donc sa façon de voir les choses, euh, il faudrait faire profiter en tout cas le, peuple, en tout cas les populations. Euh, donc on peut vérifier, il y a beaucoup en tout cas de gens qui ont eu ces chèvres, ces, à titre vraiment juste gratuit. Euh, mais je pense qu'en termes de bonne gouvernance, ce n'est pas une bonne chose. On aurait pu mettre ça dans un cadre de crédit remboursable pour permettre justement euh, à tout le monde, en tout cas la majorité des Nigériens, ou Nigériennes d'avoir. Donc, euh, ceci dit, effectivement, c'est la santé, donc les cas de santé. c'est vraiment, en termes de proximité, donc ça ça de choses très pragmatiques, euh, donc, en tout cas, il a fait, il a fait la différence. Euh, mais j'ai dit, comme toute œuvre humaine, il faut le souligner. Euh, comme on dit en langue, il n'y a souvent pas de mauvais chefs, mais de mauvais courtisans, en tout cas des conseillers. Hmm. Les hommes, l'entourage du président, ils ont amené l'étranger à commettre une structure, en tout cas du point de vue historique. Cela a attaché sa, sa gouvernance, en tout cas l'homme d'État qu'il tue. Et je sais que véritablement, nous le savons parce que c'est une histoire récente. Mhm. a été influencé euh, par justement des acteurs de la société civile, euh, en tout cas des membres de son gouvernement et euh, sa famille, dit temps. donc vraiment, ils, sont en train de remuer vraiment le couteau de la comme on dit. quand je dis, en fait, ce que, ça a à faire, par exemple, en dissolvant la Cour constitutionnelle, oui, justement, oui, oui. En, faisant le trésor, c'est véritablement un c'est fait, en tout cas par la petite porte de l'histoire. Vous voyez maintenant, euh, Dieu merci, son, maintenant son, en on pèse justement entre le le contre, malgré donc cette situation, cette affaire, en tout cas, euh, rappelez-vous, quand Salou Djibo a fait le coup d'État, c'est les gens qui ont applaudi. Les gens étaient sortis applaudir que c'était vraiment, on a arrêté un dictateur, voilà, voilà. Mm. Mais euh, malheureusement aussi, euh, Salou était, après avoir gouverné à l'œuvre, on a vu en de compte que véritablement, il ne faisait pas mieux que Fontier et par conséquent, aujourd'hui, ce qui reste en tout cas que ce soit les, débats sur les réseaux, sur les médias, en tout mhm. cas, on, vous écoutez les Nigériens, donc l'image qui est retenue des temps, en tout cas, elle est positive. Euh, donc ce qui fait que l'incident de ces n'a pas du tout euh, entaché sur la vision que les Nigériens ont de leur président, en tout cas l'homme d'État, le en tout cas qu'ils ont euh, donc considéré qu'ils ont aimé. L'image donc euh, que retient les Nigériens de Tanja est positive. Maimouna, pensez-vous que nos chefs d'État doivent s'inspirer de, Tanja Mais absolument, nos chefs d'État doivent s'inspirer de l'exemple de Tanja. En positivité, parce que je l'ai toujours dit, l'être humain n'est pas parfait. Mais en, termes de positivité, je pense qu'ils doivent s'inspirer de Tanjan. Tanjan a fait beaucoup. Il a montré sa capacité de faire. Il a essayé de montrer aux uns et aux autres que le Niger peut s'en sortir. Et il l'a montré, il l'a démontré à plusieurs raisons avec ses, dix mandats, euh, avec ses deux mandats, en fait, les dix ans qu'il a fait à la tête du pays donc à l'âme euh, du feu. Euh, du feu. Passons donc euh, au deuxième sujet de ce forum sur le plan politique, un forum des partis prenant au processus électoral en cours au Niger a été organisé jeudi 19 novembre passé à Niamey à l'initiative de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CDAO. Le thème était élections apaisées et inclusives en jeu pour la consolidation de la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité au Niger ». Niger. Pour le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante CENI, euh, cette activité vient à point nommé car elle permettra aux différents euh, acteurs d'avoir des échanges fructueux afin d'aboutir à des élections apaisées et inclusives. Cependant, l'opposition n'a pas pris part à cette rencontre. Euh, Issa, est-ce qu'on peut dire que ce forum a atteint ses objectifs au vu de l'absence de l'opposition à la rencontre objectif. Qui a organisé le forum Est-ce que c'est à la CDAO de venir organiser un forum pour la paix la pour la stabilité, l'une des non, non, non, non, qu'on arrête. Il y a un cadre qui est là, qui a été créé depuis 2004. Le Conseil national de dialogue politique, s'il y a des différences, s'il y a des problèmes, c'est à ce niveau que ça devait se régler. Ce n'est pas la CDAO de venir au Niger. Dans tous les cas, c'est un syndicat. La CDAO c'est un syndicat du chef d'État. Partout où il y a eu des crises, ils voyaient venir la crise. Ce n'est pas à la fin du processus qu'ils vont venir tenir un forum pour dire qu'on est venu pour créer les conditions d'apaisement. L'opposition n'a pas accepté. je ne vois pas pourquoi l'opposition va aller s'asseoir. C'est la CEDAO. La connaît mieux les problèmes des Nigériens que les Nigériens eux-mêmes. C'est un échec pour pour moi, ils sont venus s'amuser. Ils sont venus tourner au Niger, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina façon encore, ça va. Mais moi, pour moi, cette organisation-là, je ne vois pas son utilité. Je ne vois pas son utilité. Quand vous voyez la fumée en train de prendre, mais intervenez bien avant. C'est pas quand la fumée, le feu va partir que vous allez venir dire non, forum, forum pour la paix, la stabilité des élections inclusives. Mais vous voyez venir les choses. Pourquoi vous n'avez pas agi en amont c'est ça le problème. Moi, j'ai dit, il faut qu'on cherche que les Africains commencent d'abord un problème dans un pays, c'est les enfants du pays. Et il faut la participation de toutes les, parties, comme ils l'ont dit. Quelle participation de tous Qui Ils sont venus en village ici, ils ont fait leur activité, ils ont réuni ce qu'ils ont pu réunir. Sinon, le cadre le plus approprié, c'est le CNDP. C'est le CNDP. Et le CNDP ne fonctionne pas. Euh, pourquoi ils vont venir C'est euh, eux qui pensent. Quand les gens ne veulent pas s'entendre à l'interne, ils ne veulent pas s'écouter, ils ne veulent pas créer un cadre minimum pour qu'on ait des élections transparentes, admises par pas tous. Hmm. c'est pas la CEDAO. La CEDAO, ça va venir, ils vont, plier leurs bagages, ils vont faire leurs valises, ils vont retourner chez eux. Donc, si on comprend, euh, Ousseini, euh, cette rencontre est un vrai échec. El les Suleiman. Ça donné quoi El qu'en pensez-vous de cette rencontre euh, <coughs> sans l'opposition, une rencontre de, de toutes les parties prenantes aux euh, élections à peser Je dois préciser que, en tout cas, les initiateurs ont convié tout le monde euh, à l'ouverture, il y avait par exemple docteur Soleiman, un candidat à l'élection présidentielle. Le Lumana a été représenté par euh, Maître Moussi. Le MNSD, un SCG, il y avait donc euh, Moussa sur son SG. Donc, en réalité, il y avait également la présence de Salou Jumbo, Tahir Djumba. Disons que, euh, franchement. Euh, Quand même, il y a des, des partis de l'opposition qui ont décrié le fait que l'opposition ne soit pas. Euh, justement, en réalité, la vérité, c'est que ma compréhension des choses, l'opposition ne pouvait pas venir parce qu'en réalité, je pense que cette réunion ne pourra pas changer les règles du jeu parce qu'à l'étape actuelle, que qu'on ne peut pas fondamentalement arrêter le processus. Euh, donc, quelque part, euh, pourquoi perdre son temps Pourquoi véritablement euh, venir poursuivre peut-être une, une situation, en tout cas, qui ne peut pas rien changer Véritablement, comme l'avait dit tout à l'heure, la CDAO n'a pas, pas bonne presse, la CDAO n'a euh, en tout cas aujourd'hui, euh, vraiment, a ah, fait euh, vraiment, dire, une mauvaise réputation en concernant un certain nombre de fortitudes Dans les plus récentes, la situation en Côte d'Ivoire et en Guinée sont assez illustratives. Par exemple, on voit le deux de deux mesures, son comportement au Mali, euh, donc, bref, euh, je pense que quelque part, euh, franchement, en soi, la CDAO ne mobilise pas, donc ne rassure pas d'une certaine façon, à mon, de mon point de vue. mais la vérité, c'est que n'oublions pas quand même le, le Oui, n'a pas pu la situation. On se souvient, il y a eu d'autres initiatives à l'international, comme l'OIF, qui a été sabordée par l'opposition parce qu'on se souvient comment l'opposition avait traité le médiateur, donc le béninois, le professeur Dossou, mhm. euh, qui, selon l'opposition, travaillait donc euh, pour euh, la, majorité, en tout cas pour le, la, partie gouvernementale. Euh, donc, en réalité, eh, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés par le CNDP, malgré des initiatives nationales et internationales. Ce n'est pas donc euh, à la veille des, élections que la CDAO pourra justement faire quoi que ce soit. Donc, euh, si, euh, si on comprend El Haj Suleiman, vous soutenez que ce forum n'a vraiment pas raison d'avoir lieu en ce moment mais à partir du moment où le programme, en fait, sur la table par l'opposition sont, réels, sont, je vais dire, entier, ça veut que, j'ai comme l'impression que c'est un coup d'épée de l'autre, ça veut que cette Peut-être moi, je me suis dit que la CDAO a voulu faire comme euh, en 2016, euh, le NDI avait obtenu le code de bonne conduite. Donc, ils ont fait signer un document à tous les candidats euh, pour faire montre de faire play en cas d'élection. Quand tu as perdu, vraiment, tu reconnais ton échec. Peut-être que nous, c'est ce qu'on pourrait attendre de cette rencontre. Mais bon, je pense que l'opposition voyait venir la CDAO, donc ils n'ont pas eu utile en tout cas de venir à cette rencontre. Et de mon point de vue, franchement, euh, ça ne change à rien à la situation actuelle, euh, parce que tout simplement, euh, l'idéal serait que tout le monde soit là, l'opposition, la majorité, et qu'on dise qu'il y a un consensus, un accord sur en tout cas certains éléments concerne vraiment le en cours. Au cours, en cours au Niger. Alors, Meymouna Djado, pour vraiment avoir des élections euh, apaisées euh, au Niger, selon vous, comment vraiment réussir un dialogue entre toutes ces parties prenantes, notamment euh, l'opposition, la majorité Comment vraiment réussir un dialogue entre ces parties-là En ça sera très difficile. Ça, sera très difficile d'avoir un dialogue à ce stade. Parce que si le dialogue devrait commencer, c'est depuis dès le début. L'opposition a été claire. L'opposition a boycotté dès le début le processus électoral. Avec le CNDP Avec le CNDP. Elles n'ont pas voulu siéger. Elles ne reconnaissent pas la CENI. Elles ne reconnaissent pas la Cour constitutionnelle. Mais dans ces cas, comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue sérieux avec une opposition qui est en train de bouder et une majorité qui connaît déjà ce que l'opposition attend de cette majorité mhm. et souhaite de cette majorité quand même. Donc l'opposition a toutes ses raisons Donc je ne dirais pas que l'opposition a toutes ses raisons, mais quand même, il fallait écouter dès le début l'opposition et essayer de régler, même si ça serait peut-être des euh, euh, choses qui peuvent être réglées ah, pour qu'il y ait ce consensus, pour qu'il y ait au moins un dialogue. Mm. Mais à ce stade de la fin donc, de ce processus électoral, je ne pense pas que on peut résoudre le problème par un dialogue. Eh ça serait très difficile. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, ça dit que le CNDP a été créé. Ce n'est pas un cadre, c'est un cadre de recherche de consensus sur les questions politiques et sociales. Mm. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils ont dévoyé cette mission du CNDP. Ils en ont fait un instrument où il faut aller voter. Alors que ce n'est pas ça le principe. C'était pas, pas ça le principe. Et voilà un peu la raison pour laquelle, quelque part, l'opposition a décidé. Parce que tout simplement, il y a un problème qui se pose. On ne voit pas le nombre. Aujourd'hui, ils ont transformé ça. Ça a fait que les choses n'ont pas pu évoluer. Mais plus grave encore, plus grave, un temps, il était question de mettre un comité, un cadre élargi à des personnes, comment dirais-je, des autorités qui ont une certaine autorité morale pour pouvoir négocier. voilà, une petite mini-conférence pour essayer d'aplanir. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Par le seul fait que, bon, de l'autre côté, on considérait que non, nous, nous allons avancer. On n'a pas besoin, nous, nous allons avancer parce que nous avons des chances à tenir. Et donc, selon vous, c'est que faire donc pour faire face à toutes ces... Mais que faire Quelles sont vos propositions C'est quoi, que faire Mais Il faut bien s'entendre, non il faut s'asseoir, à discuter pour pouvoir trouver un minimum. Mais quand il n'y a pas ce minimum-là, que faire c'est quoi on peut faire Parlons, faire quelque chose. parlons toujours d'élections. Dans l'actualité, plusieurs partis et groupements de partis politiques ont déjà officialisé leur soutien à des candidats pour les élections présidentielles à venir alors même que le code électoral est clair au sujet des alliances politiques avant les campagnes. Toute coalition qui se crée avant même l'ouverture de la campagne électorale est illégale selon l'article 91 du Code électoral en vigueur au Niger, explique Issa Kamossi, il est politologue. Je vous propose de le suivre toute déclaration, toute coalition qui se fait avant l'ouverture de campagne présidentielle, législative ou locale, c'est tout à fait illégal. Là, je vous renvoie à l'article 91 du Code électoral nigérien et qui a prévu, par exemple, des sanctions face à ces faits toute coalition qui se crée avant même l'ouverture des campagnes électorales est illégale selon l'article 91 du Code électoral en vigueur au Niger. Euh, mais Mouna, comment donc expliquer toutes ces alliances euh, D'abord, est-ce que ces partis politiques euh, ne respectent même pas le Code électoral Parce que s'ils respectaient le Code électoral, ils allaient attendre d'abord de connaître le, le suffrage, ce qui va sortir des urnes d'abord. Ils me connaissent donc. Au premier tour quand même, pour aller faire des alliances. Mais aujourd'hui, apparemment, on crée des partis politiques, c'est avoir une vision avant même les élections. Donc, je vais essayer d'aller à la mangeoire, comme on le dit. Je vais chercher, oui, oui, je vais chercher à m'agripper, tout en espérant que le candidat que je vais soutenir sera le candidat, sera le président de la République. Bon, c'est des, des partis politiques qui font des alliances pour chercher leur gagne-pain, pour chercher des postes après, parce que tout parti politique qui est euh, concret ou bien qui, est créé au Niger, c'est pour que ce parti politique au moins puisse aller aux élections et voir le nombre de suffrages qu'il peut avoir. Donc Mais vous voulez dire que ces, différents partis euh, qui font des alliances par-ci par-là, c'est un jeu de partage qu'ils attendent, le partage du gâteau. On, on l'a toujours vu. C'est des alliances, c'est des partages du gâteau après. Et là, Suleiman, êtes-vous d'avis que euh, tous ces partis, euh, tous ces groupements de partis qui, se, qui font des alliances avant même l'ouverture de la campagne électorale, euh, ce n'est que pour leur intérêt, comme on, l'a compris. Euh, franchement, oui, le moi j'ai déjà écrit plusieurs fois sur cette question. La Cour des comptes a établi justement la malgouvernance au sein des partis politiques. on se rend compte à l'évidence que c'est une escroquerie. La, certes, le leader a, opté pour le multiplication intégral, euh, mais on se rend compte à l'évidence que les partis politiques, en tout cas la, euh, floraison des partis politiques ne concourent pas à la bonne gouvernance, bien au contraire. On a vu des partis politiques rompre des alliances euh, en mettant en avant leur intérêt politique. Euh, donc, on ne voit pas le pays, on met en avant plutôt, donc, tel que euh, donc, euh, vous voyez ce que je veux dire. donc, par rapport à, la question des alliances, là, de ce point de vue, vous voyez, les coalitions se font, il y a des fronts qui ont été, ont été faits. Ça, c'est un jeu, je pense que le juriste parle clairement de toute coalition. Donc, fait, avant, elle est, elle est, Mais la réalité, on se rend compte que dans toute la, euh, en tout cas avant la électoral, il y a des forums qui se constituent, donc les euh, alliances qui se font, mhm. et la politique, euh, je ne sais pas là vraiment, c'est un juriste qui a parlé, mais tout ce que je sais, en tout cas, de ma culture en philosophie, la politique met en avant les relations donc d'amitié, donc la diversité. Il y a toujours des alliances, on a toujours besoin des alliés. Et on se rend compte à l'évidence que c'est quand même euh, le propre de politique, euh, donc avoir des alliés, avoir des, des, amis sur lesquels on compte. Là, la stratégie, on peut justement reprocher parce que forcément, en quelque temps, euh, Autant de partis qui se rallient à des candidats. On, a plus de 150 partis politiques au, Niger. Vous voyez, au niveau des grandes démocraties, on a principalement deux partis. Hmm. Je pense que les citoyens peuvent se retrouver entre deux, deux options politiques, deux offres. Euh, par exemple, aux États-Unis, c'est les démocrates et les républicains. Hmm. En France, on connaît justement la gauche et la, la, la, droite, même si, euh, en tout cas, aussi, il y a une évolution de l'autre côté. bref, je pour revenir à la, réalité, c'est que, euh, vous voyez, par exemple, les alliances qui se existent avant, donc, comme dit la, campagne électorale, les vraies alliances se jouent au moment du deuxième tour. Oui, Toute alliance, en fait, dans la réalité avant, euh, on se rend compte qu'il y a combien d'alliances, mais la vraie alliance, en tout cas la plus décisive, elle se tisse s'il y a deux secondes tours. C'est au moins de secondaire que les gens vont voir clairement, en tout cas, les tendances, mhm. ou bien vont vraiment euh, véritablement décider en fonction de leurs intérêts. a les autres partis politiques, les, petits partis politiques, ou du moins les partis politiques qui ont dès maintenant choisi à accompagner un candidat pour le premier tour, ça, je considère que euh, c'est un choix donc euh, raisonné, c'est-à-dire que compte tenu de ma force politique, je ne suis pas un candidat aux élections présidentielles, mais je peux maintenant apporter mon soutien à Kalda. Je pense que cela est un point de vue, euh, en tout cas, c'est rationnel, c'est raisonnable. Ok, alors Hussein, oui, oui, Hussein il s'assit vraiment tous ces, alliances, ce jeu d'alliances, euh, comme l'ont expliqué nos prédécesseurs, Hussein et Elhaj Soleimani et Memouna, euh, ils ne le font que pour leur intérêt. Quelles peuvent être les conséquences donc de ces alliances pour le pays Les conséquences, c'est la prolifération des partis. Moi, oh, je considère que vraiment, on s'amuse avec euh, vraiment, euh, comment dire, euh, les Nigériens, on s'amuse avec l'avenir des Nigériens. Regardez un peu la prolifération de ces partis. Un parti se crée par rapport à une idéologie, un projet de société. Maintenant, les gens créent des partis, c'est des clubs d'amis. On ne va même pas aux élections. Alors que le code est très clair. Au bout d'un certain temps, quand un parti se normalement, vous allez aux élections. Mais si vous n'allez pas aux élections, ah, vous allez créer le parti juste pour attendre de voir c'est de quel côté la balance va peser. On se met de ce On se met de Ça veut dire que d'emblée, moi, je ne vais pas aux élections parce que je n'ai pas les moyens. J'ai des intérêts qui, ce qui m'intéresse, je vais attendre de voir qui des deux candidats qui vont, en tout cas, qui sont les candidats les mieux positionnés, je vais m'aligner. C'est-à-dire, je suis dédouané. Je ne vais pas à des élections. Même pour les locales, je ne vais pas aller. Je ne suis pas représentatif. C'est ça la difficulté, c'est ça le problème dans ce pays. Moi, je pense qu'il faut revenir à la norme. Mhm. Il faut mettre fin à ces pratiques-là. Un parti, au bout de cinq ans, en tout cas, au bout de deux, comment dire, euh, deux cycles, si le parti ne présente pas de candidat, moi, je pense qu'il faut supprimer ce pacte-là. Il faut, il, faut, il, faut, il faut le dissoudre. Il, faut, mhm. il, faut, il faut lui retirer l'agrément. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Oui, rapidement, mais Mouna, pour clôturer ce euh, chapitre. Euh, selon les conséquences que je vois aussi, c'est par exemple un candidat qui a plusieurs, ou bien un parti politique, qui a plusieurs alliés. Aujourd'hui, il est difficile de mettre un gouvernement qui va euh, à l'image du pays, qui va travailler pour le, pays. C'est pour ça qu'on voit les pléthoriques pour un gouvernement, on, voit plus de 40, 40, <laughs> euh, euh, ministres. Et, aujourd'hui, ce sont ces mêmes ministres qui réclament, parce que moi j'ai fait une alliance. C'est tout normal. Un candidat. réclame. Donc il faut qu'on me positionne, il faut qu'on me donne le poste que j'ai envie. Mais aujourd'hui, mais est-ce que ça serait facile pour un parti politique qui aujourd'hui, qui a son candidat qui devient président de la République, de gérer les problèmes de ce pays Ça sera difficile. Ça sera très difficile. Dernier point donc euh, de ce forum, le dimanche 22 novembre 2020, les Burkinabés étaient aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Après donc euh, des résultats qui tombaient à compte goutte des résultats provisoires, Rockmark Christin Caboret arrive en tête avec environ 58% des voix. Qu'en dites-vous, euh, En Afrique, hein, vous savez, il ne peut pas y avoir des élections propres. Quoi qu'on fasse, ce n'est pas possible. Celui qui est au pouvoir, il, il a tout, comment dirais-je, il, a, tous les, il a tous les moyens de, dispose, celui qui tire les ficelles. Oui on est dans en Afrique, il ne faut pas s'attendre. Je ne dis pas que ça a été c'est une élection parce que les opposants ont dénoncé le fait de transporter les urnes par des motos, tout ça. Il y a plein de problèmes. En Afrique, ça ne peut pas manquer parce que c'est des manières délibérées que les gens vont créer les conditions pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on trouve des failles. Sinon, un processus qui s'étale sur une période de trois ans, s'il y a la volonté d'aller, de faire quelque chose de propre, en incluant en, de, manière inclusive, moi je dis il ne peut pas y avoir de problème. Mhm. Mais c'est le monde mal. Et puis dans tous les cas, bon, c'est le deuxième mandat qu'il est en train de chercher. Quand tu cherches le deuxième mandat, bien évidemment, tu as, tous les hein. leviers. C'est toi qui commandes tous les leviers tu ne vas pas te laisser avoir. Mais <laughs> donc ce n'est vraiment pas surprenant que ah, moi ça passe. Mais ce n'est pas surprenant, ça moi, je, je, finis un mandat, je voudrais me mhm. représenter pour un second mandat, mais j'ai toutes les, ficelles à ma main. Ça veut dire que je tire moi-même les ficelles parce que je ne peux pas aujourd'hui faire une élection et puis échouer. Oui. Ça ne peut pas se faire. Donc, euh, je dirais que nous sommes en Afrique. Euh, attendons de voir. C'est un deuxième mandat. Peut-être qu'il ne va pas aspirer un troisième mandat, comme, comme les autres pays. C'est ça qu'on doit euh, espérer. El Haj Suleiman, quelle analyse faites-vous des élections euh, au Burkina Faso avec euh, Marc Roch qui passe au premier tour avec environ 58% des voix Oui, je commencerai par dire que c'est extrêmement grave. dans la mesure où, même si nous sommes en Afrique, il y a un camp des pays qui font des élections vraiment Ici, en réalité, il est question de savoir est-ce que le, le électoral, est-ce que le cadre électoral est vraiment transparent Oui. Est-ce qu'on a vraiment une certaine indépendance au niveau, de, en de, la CENI, donc l'organe qui organise les, élections hmm. C'est ça le plus important. On peut être euh, en Afrique, euh, mais organiser de bonnes élections. Je suis d'accord, euh, au niveau, en tout cas, quelqu'un l'a dit, et il faut être, et faut organiser des élections et les perdre cest à dire qu'il y a comme qui dirait, quand on est au pouvoir, on a donc euh, la facilité donc de manœuvrer pour gagner les élections. Euh, mais la réalité électorale c'est que, quand vous voyez historiquement, que ce soit ici chez nous, tous les partis politiques sur le terrain ont tendance à tricher, ont tendance véritablement à, gagner les élections. Chacun dans son fief va essayer de se comporter de manière vraiment avec des abus. Euh, bref, je suis en train de dire que luttons pour que vraiment le pour que l'électeur soit vraiment libre, transparent et eh, indépendant, cest à que franchement, on n'aura pas, eh, on, par exemple, aujourd'hui, avec les avancées, on a des, des, fichiers électoraux eh, biométriques. Mhm. Donc, tout cela, vraiment, je pense qu'il y a un travail de veille citoyenne. Il faut vraiment qu'on puisse tendre vers vraiment des situations où il n'y a aucun doute quand il est fini. Qu'elle les vraiment, il n'y a rien à Qu'elle ne soit pas contestée. On, est d'accord absolument. Et voilà pourquoi je pense que nous faut ce, ce pessimisme-là. Non, moi, déjà, par exemple, en ce qui concerne le Burkina Faso, euh, régulièrement, en tout cas, quand vous lisez la presse burkinabé ou bien certains analystes, on pense que euh, euh, le président actuel pourrait prétendre justement à, à en tout cas, à être réélu pour un second mandat parce que tout simplement, il a quand même assuré le minimum euh, au niveau de son pays. Et vous savez aussi la posture de l'opposition, euh, euh, souvent c'est le manque de faire plaisir, on fait le mauvais pardon, mhm. mais je pense que véritablement, jusqu'à preuve du le temps qu'il n'avait pas apporté les preuves que, en tout cas, il a triché, il faut admettre quand on a perdu, euh, on a vu le résultat des uns et des autres. Génou, euh, par exemple, lui, il a eu 57%, donc euh, le Zéphirin qui était en, 2016, donc le second, il est devenu troisième. Mhm. C'est un autre membre qui a avancé. donc, bref, je pense qu'il n'y a pas de, à redire. Il a gagné les élections. Tant que l'opposition n'apporte pas les preuves qu'il a triché, vraiment acceptant qu'il a gagné les élections, euh, je pense qu'il euh, faudrait vraiment que les gens puissent euh, vraiment euh, créer, mettre les garde-fous, qu'il y ait une certaine veille. Et voilà pourquoi, par exemple, ici au Niger, euh, pour parler de l'actualité, le fait que l'opposition n'était pas, pas au sein de la, de la, de CENI, à mon sens, cela, en tout cas peut contribuer à conforter une certaine aussi un certain manque de fair play, c'est-à-dire va dire que voilà, mais dans la réalité aujourd'hui, même si ils ne sont pas au niveau de la CENI, ils sont dans les commissions administratives, ils sont en tout cas en train de contribuer activement au processus électoral. Donc, qu'elles vont voir euh, si exactement par miracle on, gagne, on va dire que les indépendant. sont indépendantes. Merci. Merci donc euh, El Haj Suleiman, comme nous sommes à la fin de cette émission. Donc oui, rapidement, Ousseini. Rapidement, juste un mot, un mot. Maintenant, la, stratégie, le mode opératoire, sur le premier tour. Le premier tour. C'est-à-dire, je passe au premier tour, je n'ai même pas besoin d'un quelconque allié. Voilà un peu le, le mode opératoire aujourd'hui. Merci, merci donc euh, chers invités. Ici prend fin ce débat. Merci donc, euh, chers invités. Ici prend fin ce, débat. Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Merci donc à euh, Haj Suleiman qui était resté au bout de la ligne. Memoun Diado, journaliste indépendante. Merci à vous. Nissa également. Rendez-vous ce week-end sur les radios partenaires de Studio Kalangou poursuivre le programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tout salafada. Et à partir de 18h15 le samedi, le forum à Hausa sur comment rendre efficace et viable les radios communautaires le dimanche, le forum Anzerma sur les voies de recours contre les abus des forces de défense et de sécurité. À la technique, c'était Chombiano Abdulkader, à la régie vidéo Mustafa Ayuba, à la présentation Nefis Adam Sirvo. À très bientôt sur le studio Kalongo.